Direction des blessés. Pour rappel, l'incident a fait huit morts et plusieurs blessés. Le ministre des Sports était à leur chevet. Nous reviendrons également sur les faits dans cette édition. Dans ce journal également, nous vous invitons à la découverte du champ de bataille de Ndjarndem. Nous sommes au cœur du Baol en 1817, une bataille farouche y a opposé le Teigne du Baol au Damel du Cayor. Un cours d'histoire à revisiter dans la rubrique Découverte avec Kumba Diakhatemar. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Toutes les responsabilités seront situées pour apporter la lumière sur les incidents survenus au stade d'Emba Diop et qui a causé la mort de huit jeunes supporters. Le président Macky Sall condamne fermement ces violences et ordonne l'ouverture d'une enquête criminelle, administrative et sécuritaire. Le chef de l'État l'a dit en marche de la cérémonie de levée du corps du directeur général de la CEMU. Il a également lancé un appel à la classe politique pour une campagne électorale apaisée. Voici le président Macky Sall de Je saisis, mesdames et messieurs, cette circonstance particulière suite aux événements douloureux qui se sont passés hier au stade d'Embojob, Événements qui ont entraîné, par leur violence, la mort de huit jeunes supporters du stade d'Embourg et qui ont occasionné plusieurs blessés. Je voudrais, en cette circonstance particulière, exprimer ma compassion à toutes les familles des disparus et aux blessés. J'appelle ainsi nos compatriotes à bannir la violence sous toutes ses formes j'ai ordonné l'ouverture sans délai d'une enquête rigoureuse qui permettra de situer toutes les responsabilités, d'identifier les fautifs et de transmettre sans délai les conclusions de l'enquête à la justice. Des mesures de sauvegarde administratives ont été d'ores et déjà prises et les blessés pris en charge totalement par l'État, les familles des personnes décédées seront accompagnées. j'ai donné instruction ferme au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, prendre toutes les dispositions pour sécuriser la campagne électorale sur l'ensemble du territoire national. Et j'appelle les acteurs de tous bords à respecter la loi, en toutes circonstances et à exercer leur activité politique dans le cadre des lois et règlements tels que définis par le Code électoral et le Code pénal. Justement, le chef de l'État a présidé cet après-midi une réunion spéciale sur le drame de Demba Diop, donc du stade Demba Diop qui a fait huit morts et plusieurs blessés. Après avoir renouvelé les condoléances de la nation aux familles des victimes, le président Macky Sall est resté ferme. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. En attendant, seuls deux blessés sont internés dans les hôpitaux de Dakar. Des mesures d'accompagnement par l'État en direction de tous les blessés sont prises au Marning un mur. La rencontre avait pour objet de faire une évaluation de la situation. La première information est plutôt rassurante. L'essentiel, toutes les personnes qui étaient évacuées vers les structures de santé, vers les hôpitaux, sont pratiquement reparties chez elles. Actuellement, nous avons dans les hôpitaux, entre euh, l'hôpital général de Grayov et l'hôpital principal, deux personnes hospitalisées. Euh, toutes ces personnes qui étaient acheminées hier dans les hôpitaux l'ont été avec l'intervention des services de l'État et le suivi est en cours. Et avec le retour notamment à Hambourg, le relais sera pris par les différentes euh, structures et l'État a mis en place le dispositif pour le retour à Bourg à travers des bus qui étaient acheminés et euh, un accompagnement qui leur a permis de pouvoir dîner tranquillement et de rentrer à la maison. Face à un événement aussi grave, il faut situer les responsabilités. Sur ce point, le président Macky Sall reste ferme. L'information judiciaire a été ouverte. Euh, la DIC est en train de travailler pour situer les responsabilités et mettre en œuvre les sanctions puisque, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le Président de la République a renouvelé les condoléances de la nation aux familles des victimes. Il a aussi exprimé sa solidarité agissante à l'endroit des victimes. Pour rappel, ce drame s'est produit lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'ISO et le Stade de Bourg. Un mouvement de foule consécutif à des incidents a fait huit morts et plusieurs blessés, selon le bilan donné par le préfet de Dakar. Notre reporter Ibrahim Mboupa a assisté aux événements. Le chaos, l'horreur. Le stade d'Emba a connu un samedi noir. Ce qui devait être une finale, une fête, s'est transformé en drame. Les incidents ont démarré un peu avant 20 h Ce sont les supporters de l'Union sportive de Wakam qui ont commencé à jeter des pierres à l'endroit de ceux du stade de Mbourg. S'ensuit une bousculade monstre du côté de la tribune découverte. Un mouvement de foule qui entraîne l'affaissement d'un pan du mur. Les supporters mourois, pris au piège, vivent l'enfer. Huit d'entre eux perdent la vie. Les mois et la tristesse envahissent ce temple du football sénégalais. Pendant ce temps, d'autres supporters wakamois jettent des projectiles sur la pelouse. Les policiers font usage de grenades lacrymogènes au niveau de la tribune couverte. C'est le sauve qui peut. Au total, 88 blessés ont été dénombrés. Les ambulances ont fait des va-et-vient incessants. Tout le monde est sous le choc. Ce samedi 15 juillet 2017, restera dans les annales. Un jour triste, macabre. Et puis le ministre des Sports, Matarba, s'est rendu au chevet des blessés de cet incident de Demba Il a annoncé également que des mesures seront prises par l'État pour situer toutes les responsabilités. Abdulaziz Ban. Un tour dans les différents hôpitaux de la capitale permet d'avoir une idée sur la prise en charge des victimes de ce drame des blessés à qui le ministre des Sports a rendu visite. C'est une situation dure et l'État du Sénégal euh, a pris en charge en donnant des instructions fermes aux structures de santé pour que ces blessés, en tout cas, soient pris en charge. Et ça, c'est extrêmement important. C'est difficile. Il y a beaucoup de blessés ici à, à CTO. Nous avons déjà une centaine de blessés. Euh, il y a des blessés légers, il y a d'autres qui seront pris en charge parce qu'il y a des fractures. Mais je pense que personne ne peut nier que c'est une situation difficile. Mais les mesures nécessaires ont été prises. Et nous allons suivre euh, cas par cas pour que ces jeunes sportifs, euh, la plupart de Mbour, soient en tout cas accompagnés jusqu'à la fin pour qu'ils puissent regagner et retourner à Mbour et regagner leur famille. En plus de cette prise en charge des blessés par l'État, le ministre des Sports a aussi décidé de prendre des mesures fortes pour que pareil cas ne se reproduise plus il n'est plus question, c'est inacceptable que de telles situations soient vécues par les Sénégalais. Il faut situer les responsabilités, avoir des rapports sans complaisance et prendre les décisions nécessaires, mais aussi tirer eh, au fond de nous-mêmes pour que la foi nous permette de, garder le calme et de, revenir à la sérénité. On va s'attendre en tout cas à, à la prise de décision parce que c'est le moment de prendre certaines décisions. Parce que le sport ne peut pas rimer avec violence. On ne peut plus vivre ça. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est inacceptable. Ça ne peut plus continuer. Pour l'heure, le gouvernement a pris la décision de suspendre toutes les compétitions sportives jusqu'à nouvel ordre, le temps d'ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé lors de cette finale de la Coupe de la Ligue entre l'Union sportive de Wakam et le Stade d'Ambo. Les hommages de la nation à Cher Seydija Babakar Mbeng rappelé à Dieu hier samedi des suites d'une courte maladie. Le directeur général de la couverture maladie universelle a été élevé à titre posthume au rang de chevalier à l'ordre de l'ordre national du Lion par le chef de l'État. Le président Macky Sall, présent à la levée du corps, a exprimé toute sa compassion à la famille du défunt et présenté les condoléances de la nation. Synthèse Pabiram son décès a été brutal, sa vie et son œuvre exceptionnelle. Cher Sidi Ababakar Meng reçoit ce jour les hommages de la nation. A à titre posthume, cette distinction est le couronnement d'une vie au service de ses concitoyens. En sa qualité de directeur général de l'agence de la CMU, il avait porté la couverture maladie universelle à plus de 50 de la population. Son talent, sa créativité et ses compétences ont marqué les esprits. Nous retenons de lui un haut cadre compétent, rigoureux et infatigable. Il a œuvré sans cesse à donner corps à la vision du président de la République d'inscrire le Sénégal dans la voie de l'émergence. Sur le plan social et humain, l'opinion est unanime. Charmeng était un homme bien, pieux, disponible et généreux, profondément attaché aux valeurs cardinales que lui, anthropologue, avait profondément intériorisées. Engagé au service des populations, il est crédité d'un brillant parcours académique et professionnel. Les témoignages sur l'homme sont éloquents. Ses anciens camarades du Britannique militaire sont tous formels. Il était parmi les plus brillants, les plus créatifs. Il était également très généreux, altruiste même et humaniste, je peux le dire. Pétri dans le moule de formation académique du Britannique militaire, et il a un preux chevalier des temps modernes, si je peux m'exprimer ainsi, porté la devise de l'école qui est savoir pour mieux servir au plus haut niveau. Parce que si le savoir sert à l'action, sa vie a été essentiellement l'action, qui ne connaît pas la CMU aujourd'hui. À la morgue de l'hôpital Fan, l'émotion était vive. Un choc si soudain pour une famille inconsolable, réconfortée par la présence du président Macky Sall. La voix étreinte par l'émotion, Abdulrahman Beng frère du défunt, a craqué. Il a perdu un frère doublé d'un ami. Cet ami que pleurent encore ses proches. C'est parce que l'homme était bon, généreux, profondément ancré dans les valeurs de l'islam. Les valeurs qu'il portait sont la résultante d'une éducation assise sur les fondamentaux de l'islam, sa générosité, son urbanité, sa détermination, son engagement pour la cause des justes sont le reflet d'une éducation que nous avons partagée. L'homme était un cadre de l'AFP. Son engagement aux côtés de a été sans faille. Le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès souligne les qualités humaines du défunt, un homme de foi, loyal et généreux. Cet homme était bon parce que c'était un homme de foi. Cet homme était généreux par l'éducation que sa famille lui a donnée et par le sang qui coulait dans ses veines, le sang d'un musulman total et accompli. Cher était loyal. Jamais je n'ai entendu cher dire quelque chose qui ressemblait à quoi que ce soit qui ne soit conforme à la vérité. Mon fils aîné qui est ici est né trois ans après Cher. Donc Cher pouvait être aussi mon fils et il l'a été. Et à l'heure de l'ultime hommage de la nation, le président de la République Macky Sall se rappelle le bon souvenir d'un vieil ami avec qui il a mené des combats démocratiques à l'université en tant qu'étudiant. Le chef de l'État a connu l'homme, devenu un intellectuel confirmé, cadre de haut niveau, qui a su traduire en acte sa vision de l'équité dans l'offre des services de santé à travers la CMU. Il a fait montre d'une compétence peu connue. Il vivait la passion positive pour la santé de ses compatriotes. Je ne lui ai rien expliqué lorsque, convaincu que tous les Sénégalais ont droit à la santé, j'ai décidé de hisser le service public de la couverture maladie universelle au rang d'une agence que je lui ai confiée. C'est que Khalifa avait une expérience déjà confirmée de cette stratégie d'accès de tous à la santé cadre à la fois politique et technique, aguerri et accompli, ferme sur les principes, mais ouvert, partisan mais flexible. Khalifa incarnant le type de militant dont l'exemple doit inspirer toutes les générations de femmes et d'hommes politiques. Il s'agit d'une grosse perte pour le Sénégal. Cher Sidi Ababakar Mbeng s'en va et laisse derrière lui un fils unique. Le président Macky Sall, aux côtés d'une famille endeuillée, exprime toute sa compassion. Prière et recueillement pour le repos éternel de l'âme du défunt, que la terre de la ville sainte de Tivavon, où il va reposer pour l'éternité, lui soit légère. Babiram. C'est donc cet après-midi que cher Babakar Mbeng, dont le nom est associé à la CMU, a été inhumé à Tivavon. Euh, fin de parcours pour l'ancien enfant de troupe qui a été le plus jeune pensionnaire de cette prestigieuse école, le prétali militaire de Saint-Louis. Euh, cher Mbeng, celui qui n'a pas tiré toute la couverture sur lui, c'est l'hommage de la rédaction signée Omar Diawa. Cette maladie qui guette sans cesse et qu'il œuvrait inlassablement à éviter aux Sénégalais la raison d'être de la CMU l'aura finalement emportée. Un paradoxe, diront certains, mais dans la logique de la vie, la mort est une probabilité certaine qui n'est pas toujours la résultante de la maladie. Bien des choses sont arrivées beaucoup trop tôt à Cheikh Khalifa Aboubakar Mbeng. Il a été sans doute le plus jeune enfant de troupes du Britannique militaire Charles Choréré de Saint-Louis. Il y est entré à 10 ans, ce qui lui a valu ce sobriquet de Big Baby, gros bébé que certains de ses proches lui servaient encore. Facile à deviner l'âge du Benjamin au baccalauréat. La perte de son père alors qu'il allait sur ses 16 ans a été une de ses premières grandes épreuves d'une existence de seulement 53 ans. La barque finit toujours par atteindre l'autre rive mystérieuse et insondable, telle est la destinée des vivants. Dans cet au-delà vers lequel tous nous voguons, aucune once de bonté et de piété ne saurait être oubliée dans la précise rétribution divine. À ce titre, l'espoir nourrit l'espérance d'un ailleurs meilleur pour Cher que cette terre de tourments, de peines, de déchirures, de joies factices et fugaces. Le disparu a semé sur les chemins qu'il a empruntés la gentillesse, la délicatesse, l'attention, la reconnaissance, la générosité et l'urbanité. Même si en bon intellectuel, il savait exprimer ses désaccords et donner des arguments à ses positions, ses convictions, respectueusement, élégamment s'éloignant de l'invective trop simple. Ses activités l'ont amené à sillonner tout le Sénégal et le monde, à rencontrer les familles religieuses en raison de leur pouvoir d'influence aimait-il à dire. Avec Tiwawon, où d'ailleurs il repose pour l'éternité, c'était une relation fusionnelle et ancienne. L'homonyme de Sring Babakar l'a rejoint et cet autre lui-même qui est son fils peut être fier d'avoir eu un père qui a servi son pays. Son héritage est pour la postérité d'Orampé Big Cher. Voilà donc euh, pour l'hommage de la rédaction à euh, Cher Seidi Ababakar Mbeng, directeur général de la couverture maladie universelle, décédé hier série de présentations de condoléances du président de la République hier. Djender dans le département de Thiès, le chef de l'État a présenté ses condoléances à son conseiller culturel qui a, perdu sa mère. Même rituel à fin de résidence et à Mermoz le président de la République a partagé la douleur des familles Agne et Khouri. Euh, Synthèse Aboubakri Khan. À Djender dans l'arrondissement de Kermoussa, le président de la République est voulu partager la douleur de son conseiller culturel. Ibrahim Andoy, qui vient de perdre sa mère Sokhna Amingaï. Le chef de l'État lui a présenté ses condoléances et celles de toute la nation. Devant sa famille, ses proches et devant tous les notables de la zone, le président Macky l'a a témoigné de l'engagement de leur fils à ses côtés, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations de Gender et ses environs et par la voix du chef de village Seydina 6 et de l'imam Morwad, Gender a remercié le chef de l'État pour cette démarche de compassion qui les réconforte dans l'espoir de l'année meilleure pour toute la contrée. Ibrahim de remercier le président Macky Sall de l'honneur qu'il lui fait à travers ce déplacement. Des prières ont par la suite été formulées pour le repos éternel de l'âme de la défunte, prière pour une paix durable. Après le département de Thiès, le chef de l'État a réitéré la même démarche à Dakar. À fin de Résidence, le président Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille Agne suite au rappel à Dieu de Sorne Awawar, maire de Baidi Agne, président du CNP. Au nom de la famille, Elhaj Amadou Agne a remercié le chef de l'État. Il est revenu sur les relations étroites qui le lient à la famille. À l'occasion, Serigne Abdul Aziz Ba de Medina Gounas et Serigne Maudossi Abdou de Tiwawon ont loué les bienfaits d'une telle action de compassion. Une cérémonie sanctionnée également par des prières. Après de Résidence, direction Mermoz pour le même rituel, la famille Khouri de la communauté libanaise de Fatik vient de perdre leur père, Nehme Khouri. À ses enfants, Alain et Antoine, et à toute la famille, le président Macky Sall a présenté ses condoléances et celles de la nation. Retour sur un autre drame qui s'est produit à Durbel avec l'incendie qui a ravagé le marché de la ville. Un sapeur-pompier y a perdu la vie. Les dégâts matériels sont énormes. Retour sur les faits avec Fatima Tabanelba. Un feu d'une rare violence qui n'épargne rien sur son passage. Les commerçants essayent de sauver ce qui peut encore l'être. Le marché de Médio de brûle. Au lendemain du sinistre, il ne reste que des ruines. Le feu a tout emporté. Il paraît que le feu a été causé par l'électricité. Pour le moment, nous ne pouvons pas évaluer les pertes, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons perdu beaucoup de millions. Ah, c'est la volonté divine. Nous nous remettons à Dieu. Quand les sapeurs-pompiers sont venus, ils n'ont pas pu entrer, car il n'y a pas de voie d'accès. Le marché est trop étroit, c'est ce qui a propagé le feu. Le feu s'est déclaré vers 21h dans la soirée du vendredi au samedi. Les sapeurs-pompiers ont néanmoins réussi à circonscrire l'incendie dans la soirée. Il s'agissait donc d'un feu euh, violent qui s'est produit au centre du marché et qui intéressait quatre grands hangars euh, d'une superficie totale de 2225 euh, mètres carrés avec euh, un embrasement total donc, qui se propageait vers les cantines se trouvant en, vis-à-vis. Malheureusement, un des leurs y a perdu la vie. Dès notre arrivée, on a, sollicité la coupure du courant du secteur, ce qui a été fait. Donc on a opéré durant tout ce temps et vers... Euh, une heure h euh, minutes. Donc on a senti que en une partie donc de, du marché, il y avait donc de l'électricité. Donc euh, un de nos éléments a été foudroyé par le courant et il a été électrocuté. C'était un sergent chef Wali Diop il s'appelait, donc un jeune sergent chef vraiment très engagé, très dévoué et qui avait l'amour du métier. Les responsables du marché s'en remettent à Dieu. Nous sollicitons l'aide de tous pour que le marché soit plus moderne, que tout le monde travaille dans la sérénité. Nous remercions aussi les autorités locales pour leur sollicitude. C'est un peu difficile, tout d'abord. C'est un peu difficile lorsque vous voyez des gens qui ont travaillé durant plus de 40 ans, 50 ans, surtout des jeunes. Et puis en un jour quand même, euh, comme ça, perdre en un jour toute leur fortune, c'est un peu compliqué. Aussitôt informé, le ministre du Budget s'est dépêché sur les lieux. Au-delà de sa casquette de ministre, c'est aussi le fils d'Ibawal qui vient réconforter les victimes. Je voudrais au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, euh, marquer notre compassion et marquer surtout notre solidarité et dire que c'est le coup du sort, c'est la volonté divine, et compris qu'Allah leur donne, euh, euh, disons, la patience nécessaire, la sérénité, et surtout euh, qu'il leur donne les moyens de repartir de plus belle. Face à l'ampleur du sinistre jugé importante, ces commerçants en appellent à une reconstruction immédiate de leur marché, implanté vers les années 1960. Cet énième incendie pose avec acuité le problème du respect des normes de sécurité dans les marchés. Alors que la campagne électorale bat son plein, on s'intéresse au rôle et à l'importance de l'Assemblée nationale, lieu de concertation et d'expression des opinions politiques. L'institution parlementaire est aussi un espace de pacification du débat politique. Éclairage de Ibrahim Magnan, consultant en droit et pratique parlementaire. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Voici un extrait de son entretien avec Oumar Ning. Le Parlement est important parce que c'est un lieu de concertation. Mmh. Euh, de toutes les opinions, de toutes les sensibilités politiques au sein d'une nation. Donc, on peut dire que c'est un lieu de pacification du débat politique. Il ne se déroule pas dans la rue, il ne se déroule pas ailleurs, il se déroule au Parlement où il est organisé, coordonné. C'est le lieu naturel du débat politique. Le lieu naturel du débat politique en démocratie. Mm. Euh, L'Assemblée nationale euh, permet aussi, si vous voulez, à la représentation nationale de se pencher sur les politiques publiques. Hmm. Mais n'oublions pas que par la composition de l'Assemblée nationale, c'est une institution de représentation. Elle représente toutes les sensibilités, particulièrement les minorités nationales. Hmm. Euh, de temps en temps, j'entends les gens décrier notre système euh, électoral. Hmm. Vous savez, avec le scrutin départemental, ça permet d'élire des gens qui viennent du Sénégal des profondeurs. Ensuite, nous avons le scrutin national, parce que c'est un scrutin mixte qui permet de corriger les rigueurs, effectivement, mm. de la majorité. Mm. L'importance des matières premières, c'est autour de cette thématique que le GREDA a axé son 31e rapport. Les travaux ont été présentés à Dakar par des experts. Le public aussi y a été convié. Hamid Diop compte rendu. Le 31e rapport Cyclov est rédigé par plus de 100 spécialistes et il se penche cette année sur les matières premières. Le nom du rapport vendest vendouest explique les ambitions commerciales de la Chine et les menaces d'un protectionnisme américain avec l'arrivée du président Trump. Où est le monde aujourd'hui tirer quand même un petit peu sur les produits qui intéressent plus directement euh, le Sénégal aujourd'hui, euh, le gaz bien entendu, euh, et puis quand même les produits agricoles. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays producteurs de pétrole avec des réserves non négligeables. Le GREDA, un groupe de réflexion pour accompagner l'État, pose le débat. Le problème aujourd'hui qui se pose, comment l'Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, un accident géographique euh, qui lui a permis d'avoir une crielle de matières premières, depuis, n'arrive pas à se, à, se développer. la réflexion est, est lancée. Mais aujourd'hui, je pense que Philippe nous a fait l'honneur de venir présenter le rapport Cyclope avec un son, un son musical, un son d'amour vent d'est et vent qu'il va peut-être nous raconter. Parce qu'en dessous, il y a un peu d'amour. Une fertilisation croisée de l'est et de l'ouest qui produit de la valeur et finalement qui décrit la temporalité de la mouvance de l'économie mondiale. L'extraordinaire hétérogénéité du continent africain au regard de la performance euh, macroéconomique, mais une fois encore, euh, et c'est le problème des économistes, nous restons focalisés sur les problématiques de croissance économique, ayons un regard plus complet, parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique, certes, c'est la croissance économique, mais c'est la problématique des comptes publics, c'est la capacité à pouvoir euh, avoir recours à l'endettement dans des périodes difficiles. Les échanges ont duré ici plus de deux heures avec des spécialistes venus de partout pour échanger sur les guides CIFLAB qui analysent cette année tous les marchés de matières premières ce dimanche, nous vous invitons à la découverte du champ de bataille de Ndiardem, un site historique qui se trouve en plein cœur du Baol, précisément à Bambay Serrer. Ndiardem, constitue un tournant décisif dans l'histoire du Sénégal. Il était le théâtre des opérations lors de la bataille de 1817 entre le damel du Cayor et les Tain du Baol. La rubrique découverte est signée Kumba Djahatemar. Un jour de juillet à Bombay, les paysans sont en plein dans leurs travaux champêtres. En pareille période, il y a deux siècles, c'était la bataille du Baol. Sur ses pas, Hassan Leï, historien-chercheur, nous mène jusque sur le champ de bataille de Ndiarndem. C'est ici que s'est rencontré le Damel, Damel Birima Fatma et le Amadi En 1817, au mois de septembre, beaucoup de personnes sont tombées ce sont. La bataille opposait ainsi le thème du Bawel au Damel du Cayor d'alors. Les tensions et rivalités entre les deux entités politiques ont débouché sur cette bataille. Teigne, c'est l'équivalent de Premier ministre. Damel, c'est le président, mais Teigne, c'est le Premier ministre. Depuis la Tsukabi en 1697, tout Damel du Cayor né de la famille maternelle des devait être en même temps Teigne Lambaye, c'est-à-dire couronner les deux trônes. Amadou Dior Borso avait limogé le Djaraf Bawol, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur du Bawol. Il s'est rendu à Mboul pour dire à Brima Fatma Tchoubou depuis très longtemps, vous avez besoin du Bawol. Venez, je vais vous donner l'ambaye. Secrétariat général de l'université Alun Diop de Bambay aujourd'hui hier quartier général de l'armée du Cayor. C'est là qu'elle se préparait pour aller à l'assaut de l'adversaire, l'armée du Baol, qui s'était installée sous cet arbre ou ce qui en reste. Ce sand était le point de rassemblement. Aujourd'hui, c'est un arbre mort. Ce qui reste, c'est du bois. Des arbres qu'on appelle khul ont poussé sur la souche et on a l'impression que c'est le même arbre. Le tronc sec du sable est ouvert et il y a du sable à l'intérieur. Du coup, dès que les oiseaux y déposent des graines, ça pousse facilement. Si vous rendez en France, on nous dit que voilà l'arc de triomphe, voilà le sommet des dames, voilà les champs de Salonique et de Verdun. Mais ici aussi, nous devions faire ça avec un pan important de l'histoire du Bawal et même au-delà, le seul souhait de la population de Bombay, c'est de voir un jour ce champ de bataille de plus de 200 ans classé patrimoine historique. Voilà pour la rubrique découverte de ce dimanche. Elle revient dimanche prochain. Mesdames, Messieurs, ainsi ça referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez la deuxième tranche du journal de la campagne. Bonne soirée sur la RT100.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 vous avez été offerte par Bank of Africa. des mises à jour. Fais des recettes pour tes cours. Digo, cool, de taille, cool. Toute la nuit est à nous. Ramène ta pine et ton cou. C'est ma communauté, c'est ta communauté, c'est la communauté des C'est ma communauté, c'est ta communauté, c'est la communauté des cool. le président de l'Assemblée des États partis à la Cour pénale internationale CPI, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Sidiki Kaba, présidera le 17 juillet 2017 à partir de 9h à l'hôtel King Fat Palace, une conférence internationale sur le thème Défis et opportunités de la CPI à la veille du 20e anniversaire du statut de Rome. Cette conférence, qui entre dans le cadre de la célébration de la journée de la justice pénale internationale, rassemblera des ministres de la justice, des membres de la Cour, des représentants de haut niveau des États partis, des institutions de défense des droits de l'homme, des magistrats, des avocats, des experts et des membres de la société civile internationale et nationale sont invités à la conférence Les institutions et programmes des Nations Unies. 1er juillet au 31 août, le CNLS et ses partenaires se mobilisent et accélèrent le rythme. Rejoignez la campagne nationale de lutte contre le sida 2017 et ensemble, levons la main pour prévention VIH et pour un Sénégal sans sida. Participez entre amis ou en famille à de nombreuses animations sportives et culturelles partout au Sénégal et profitez d'un dépistage gratuit. Programme disponible sur le site du CNLS www.cnls-sénégal.org et sur Facebook Conseil national de lutte contre le sida. Le sida, nous unir pour en finir. wër naa wër a wër ba tas. lay wër ah bëgg a jot ci sama carte d'identité biométrique bii nga xam ne mooy sama carte électeur sonn naa nag de. mais yow yaa sonal sa bopp. ah yow loolu dafa jërëti déplacement ak dérangement. maanaam. jamono ji. waaw fu waay mënti nekk. toogal fi nga toog jël sa téléphone composé 800. 00 2017 ci loodul fay dara nag nga jot ci saa si ndaw lu lay indil leeral ndax sa carte génn na wala génnul leeralal la bu fekkee génn na ban bërëb nga koy jëlee ba leeralal la sax ban box la ne. yow lii neexati na di. ak élection législative yii di ñëw. ma war a bokk ñuy falaate fii ci réew. maa la ciy xamal. ba ci élection ya ngay wax. képp ku nga xam ne bëgg naa am ay leeral ndax bokk na wala déet ci liste électorale yi dugal élection 2017 point sec point gouv point sn nga am ci saa si yëpp leeral yooyu yitte woo te doo déplacé wu ndekete daal man rek la fi terrain bi bàyyi woon te la ci dolli boo amul fu lay dem jëli sa carte ba bokk ci élection yi yeneen ni ndaw ëpp la fayda dem jëli seen carte falka leen neex te doo ci mën dara cey lii hmm? sama carte d'identité biométrique daal mooy firndeel sama baat fii ci réew mi. rawatina boo ko récupéré ba ni ko ciixtee. waa ngay daal di bokk ci réew mi di fi dagat di fi dogal. xam nga nan la ñuy def maa ngi ca yoon ma man. kon jeex na sama carte.